Salam alaikum, bonjour tout le monde. Euh, la clé de l'émergence avait consacré ces trois derniers jours à une formation de micro-jardinage, à suite de laquelle on avait formé une vingtaine de femmes euh, dans les activités de micro-jardinage. C'est-à-dire cette activité va leur permettre de générer des, produits, des, des consommés locaux à travers donc des petites opérations qu'ils vont faire au niveau donc de leurs espaces, au niveau des maisons, pour pouvoir ravitailler au quotidien en légumes bio, quelque chose qui est un peu euh, free, si je peux m'exprimer ainsi, parce que c'est moins coûteux et elles pourront vraiment pouvoir euh, s'en occuper de tout ce qui est euh, dépenses quotidiennes au niveau de leur table. C'est-à-dire c'est le minimum nécessaire, elles pourront l'avoir chez eux avant d'aller sur le marché et acheter d'autres légumes. C'est dans, ce cadre-là que Madame Fall, accompagnée donc de beaucoup de partenaires, avait organisé donc, euh, cette formation. Sans plus tarder, je vais lui passer la parole pour qu'elle fasse la contestance donc, des activités qu'on a eu à faire. Merci, monsieur le formateur. Adama, c'est un ingénieur agronome qui ne ménage aucun effort pour véhiculer son savoir. Donc, moi, c'est Adia Sapefal, la présidente de la Clé de l'émergence et la présidente du GIE Tiofa Business. Et vraiment, on a passé des moments très conviviaux ici. Donc, on a pu joindre l'utile à l'agréable parce qu'on a entre nous des femmes très dynamiques, mais aussi des frères très dynamiques euh, qui sont là et qui ont été en quête à la quête de, nouvelles connaissances surtout, et que, qui pourraient aboutir forcément vers une autonomisation de la femme. Parce que qui dit autonomisation dit activité génératrice de revenus. Et que ces dames-là sont plus que motivées. Donc, euh, on a eu à faire euh, une formation en micro-jardinage avec comme parrain le DAG du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique en l'occurrence M. Ousmane Faye, qui n'a ménagé aucun effort pour mettre à notre disposition vraiment une salle avec tout ce qu'il y a comme logistique requise dédiée pour la formation. Et on ne, pas fait, on ne pourrait pas ne pas vraiment faire les éloges du formateur, M. Lalire, qui est aujourd'hui absent, parce que, bon, elle a une malade, mais tout qu'on fait, c'est comme s'il était là. Et que, forcément, notre partenaire, en l'occurrence M. Bamba Diop, aussi euh, n'aménager aucun effort pour mettre à notre disposition les intrants, les personnes ressources qu'il faut pour véhiculer euh, euh, vraiment le savoir comme il se doit. Donc au bout de trois jours, hein, vraiment, on a eu à acquérir des connaissances euh, on ne peut plus intéressantes et qu'on va mettre en œuvre et qui va aller vers le, consommer, c'est-à-dire la consommation personnelle d'abord, parce que si on a besoin de, de concombres ou bien de, de poivrons, etc., maintenant on serait à même de faire la production de manière personnelle. Mais maintenant par ramification, on veut aller conquérir le marché local le marché national et voir après, plus tard, le marché international. Avec toutes les normes requises, hein, les normes standards requises à l'export, c'est-à-dire les normes phares les normes, euh, les codes FRA, les normes ISO, etc., pour que qu'on soit vraiment en conformité avec les normes requises à l'échelle internationale. Donc, Dylan Gurum, Dylan sant maintenant organisation bu tuddi won la clé de l'émergence ñu déppee que Adja Sappé Fall mo organisé won ces trois derniers jours une atelier de formation ci jardinage micro jardinage nak boko déggé moy activité agricole yoo xam ne laajtewul nga dem ci àll bi mën nga tok sa kertu am ko def ko ci bayal yu ndaw def ko ci cadre banquette yu ñu liggéey ab lu ñu def ci salle yi pour nga mën ci def sa légumes nous sommes comme les grands producteurs nuñ ko mëna a ci au cours de cette formation on les a expliqué l'ensemble des procédures comment ça se fait comme pour nous mën ka que def comme nous ko sur le micro jardinage euh, qui nous a été formation qui nous a été offerte par Madame euh, Sapefal, présidente de la clé de l'émergence. Ce n'est pas une première parce que nous avons eu à d'autres formations, d'autres activités génératrices de revenus. Donc cette formation aussi vient à son heure parce que nous sommes dans le, bio, très apprécié pour notre santé, pour l'environnement. Merci encore donc à Madame Sapéfal pour cette formation à microjardinage qui a duré une semaine et qui nous a vraiment passionnés. Nous avons été très bien encadrés. On a reçu une formation sur d'abord sur les outils qu'il faut pour faire le micro zardinien euh, aussi bien au niveau des cadres en bois que des récipients de récupération, comme les bassines, les seaux, ainsi de suite. On nous a aussi appris à habiller ces sports pour l'étanchéité, à faire les produits pour les semences à base de balderie, de, compost. Voilà, compost. Nous avons aussi appris à faire les semis, de tracer des, semis. Les pépinières. Voilà, les pépinières et tout. On a eu vraiment, vraiment, ça nous a beaucoup passionnés. Mm-hmm on peut dire Alhamdulillah, on en est sorti enrichi. Mais, comme je dis toujours, le plus dur reste à faire. C'est le suivi de ces pépinières-là que nous avons eues. Moi, ma satisfaction sera le jour où on sera réunis pour dire, venez, on va faire une salade de laitue, de tomates, hein, de poivrons. Ici, de notre propre production. Voilà, issu de notre propre production. Ou bien, aujourd'hui, on va appeler tous les membres, chacun va venir avec son sac, on va lui remettre ses produits, de laitue, de poivron, ainsi de suite, ainsi de suite. À ce moment-là, vraiment, on aura un acquis. Ce sera aussi notre fierté. Encore une fois, de remercier Madame Sapéfal. de remercier aussi les formateurs. M. Mohamed euh, Lalire, Monsieur Adam Sen, également ici présent, Monsieur Bamba mhm. et également le parrain, Monsieur, Ousmane Faye Vraiment, merci, merci, merci. Je ne saurais terminer aussi sans parler d'Octobre Rose. Nous sommes dans ce mois que toutes les femmes, que tout le monde respecte, le mois de sensibilisation mhm. sur les cancers des femmes, mhm. cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Là, on parle prévention, c'est très important. Prévenir vaut mieux que guérir. Et je remercie encore Madame Sapefal d'avoir initié cela. Vraiment. Et nous espérons que toutes les femmes, tout le monde, les femmes, les hommes, vont bénéficier de ce mois pour la main dans la main, qu'on fasse de la prévention.

une grande dame, mais pétrie de valeur, machallah, mais d'une humilité extraordinaire. Man dama bëgg ku simple parce que mënoo yenu adina ba attan ko donc nañuy oyof xolo xolo parent ni mu oyofee nañuy roy si nit ñu parce que mënuñu diis diis gànn ba mën a adina. Adina. àdduna duñ ko mës a attan parce que sama xol sedd na yow fay merci beaucoup. Tour accessante sa sant di gërëm bu baax Adja si honneur bi ma def def ma parrain jon bi ay jigen la ko jagleel te ñun suñu lepp jigen ñi la aussi so xolé li ñuy def yëpp si ay action 90% jigen dix lañ koy jaglel donc su jëlee ay jigen ay soxna yu am valeur bëgg liggéey ne daf leen di encadrer daf leen di former jox leen possibilité ñu former wu mais loolu mënuñu lu dul dugal ci suñu loxo donc me suis posé problème les salle donc nous tout de suite sur proposition de Aïcha Ba euh, directeur du directeur centre tout de suite on a on a convenu de trouver une salle parce que nous, sommes si ma responsabilité lañ Nous donc souvent dañ may may donc là qu'on a proposé euh, salle n'était pas bien bien organisé mais j'ai appelé voilà j'ai appelé les services tout à fait donc euh, j'ai appelé tout de suite les services pour nous jël en charge les nous def le nécessaire pour que salle bi opérationnelle. opérationnel parce que délai bi moo on gâte sinon nous devons leen ay clim defal leen lépp normal parce que jar de loolu mais si diggante bi man nee est-ce que mën nañu installer ay clim si diggante bi c'est impossible voilà donc il a dû le week-end samedi bi def le nécessaire pour que nous puissions a ñu installer salle au le minimum nécessaire

et c'est pas la première fois yàgg naa ko gis muy def lolu donc politique nak dafa xaw a ingrat des fois parce que da ngay joxe lu bëri mais lu ñew lu touti moy ñew donc so amul patience am ngëm yalla rek da ngay décourager parce que da ngay def effort yu bëri am résultat bu new euh, mais xewli yi suy ñëw daf lay bett parce que choono du réer boromam jamais yalla lu lo choono rek dina la ko fay voilà directement ou indirectement que que ku sonn si doomu aadama yi nekk xaritu yàlla ku ànd ak ñun ñu delloo li nga ànd ak ñun voilà vraiment loolu laay jeexalee di sant bu baax Adji Sapé merci beaucoup jërëjëf voilà octobre rose bi nag waaw man am na suñu waa ministère yu ñëw sollicité ma dama si jàpp xam nga des fois nga jàpp si benn affaire si suuf mais doo ko fësal parce que très souvent Sénégal lu ñuy fësal moo ëpp jëf yi je yi day néew mais wax day bëri mais man dam len accompagner dès le départ ta accompagner na yenen ki euh, jigéen ñi ñu gën sonu ci cancer góor yi tamit am nañu ay problème cancer nag ah mais jigéen ñi ñoo si gën a très souvent ñu gën fragile euh, te loolu yëpp war na bokk yi c'est vrai pas seulement ñuy def ay manifestation rek di woné les trucs là mais ñu fësal ko c'est-à-dire chaque année war nañu xol yan avancer lañu def contre sur la lutte contre le cancer war def ay avancé mom moy cas cas par mois dewen ñu on peut traiter plus de 300 cas par mois il faut que l'État chaque année nous fexé ba comme nous ñuy casser droits des femmes si 8 mars nous fexé ba affaire cancer ñu jël ko très au sérieux parce que personne n'est épargné Ken amul khalis, amul alal amul Dedet. donc ça veut dire c'est quelqu'un qui nous est commun hein. donc nous qu'on mën def rek de faire di aussi Nous sommes sur des instances de décision sur l'appareil appareil d'état Nous faisons ba ñu prenons au sérieux cancer mais autre chose aussi parce qu'il n'y a pas que le, cancer, euh, le cancer y a aussi d'autres maladies donc c'est ce qu'on ñu mën Nous pouvons aussi nous mais on est à 100 dans le combat dépistage aussi nous participer pour le dépistage mon journal est Europe donc euh, accompagner les aussi sur le matériel sur yenen, voilà sur yenen ak yenen, et on le fera chaque fois que nécessaire parce que lolu la ñu gëm donc euh, vraiment merci beaucoup merci jërëjëf euh, man depuis que j'ai commencé la formation et que j'ai bien suivi ça machallah, je du ma nelaw guddi ah oui parce que xam nga suñu tàmmee nous la defal lii defal lii defal lii nga di parce que yàgg nañ ma koy proposer que ça soit lu transformation fruits et légumes lu me a Ah, ah ma sais ko mais quand j'ai fait ça dama dama que mu bari opportunité Une opportunité di nga euh, euh, bio tu vas manger sainement du am ay pesticides tu vas manger bio tu vas manger bio tu vas manger bio xanaa du sa poos mën nga ci def su ma xoolee kilo kilo kaani salade ñu di ko jaay ay 2800 ay 3000 nga ne tey ji su ma deferee table bi mën naa cee am nee na ñaata kilo ay xaw ma 30 kilo wala 20 kilo wala mais attends tu ne peux pas manger les 20 kilos au moins kilo ba ngay jël di nga ko denc lii nga nokkos denc lii nga kii denc li ci des nga daggat say salade sama compagnie gi nga xam ne dañ leen di régime loo mu gën a baax ci ñun il y a tellement de personnes de grandes personnes de vieilles personnes qui ont le soxla peut-être même la jeunesse il a été patient il a été très patient euh, monsieur Sen, aussi Adama de par son savoir mu dit wax wax ci lu bare ne na ñun xamuñu a indil en euh, euh, plus gis nga boy def dara indil en plus. na la indil en plus man nee naa damay jëndi bant daajal sama bopp. xoolal da ba pare lenn moo am dangay jënd daajal sa bopp ba pare mën nga mais i commerce bi moo am léegi en ligne ci vends en ligne nga ne damay jaay taabal ku bëgg taabal ah, lu ma ciy def ma ne kaay ma wan la dama danga may fay loolu du liggéey bu bees su ma ko yàlla mayee mën naa koo def de mais loolu yëpp

ba ta ba kii tas te kenn jëlewu fa xam-xam daje boobu amul njëriñ donc euh, suñu surtout suñu dajee si remise diplôme donc formation moo taxoon moo tax ñu daje fi donc ci suñuy génn foog ñu jëlee ci xam-xam donc intervention usine daf mu bett euh, mais lu am solo la parce que moom li ñu njëkk a boole politique la mais liggéey après moo ñu boole moom mooy bëgg nature bëgg nature bëgg mbay bëgg luy dundal doomu aadama loolu moo ñu boole mu am ci xam-xam nag euh, prochaine fois soo leen def formation je pense que dina war a mën a intervenir euh, yàgg naa ko xalaat ci loolu mais bi ku gis lu leen daan donj bu gën a néew nu mu munti demee dawal gaaw parce que donj boobu c'est ça peut l'air euh, ça peut avoir l'air benn mais mun na jur leneen ak leneen te wax dëgg yàlla geste bu yomb la au quotidien mun nga ko def di xol sa bopp parce que nit da ngay saytu sa bopp sa yaram bu amé changement bu mu am rek nga yëgal ko sa euh donc ñaari at ba ñaari at nit da war wara def frottis parce que cancer du col de l'utérus tam si njurukaay yi fa metti jigen bu ko am ding ko yërëm donc bu dee ku doon tàmbali sey, mun na jékki-jékki dotu mën a am doom njurukaay bi ñu ñu supprimer ainsi de suite donc mais nañu waxante deug lancer un message cri de cœur bi may def moy cancer n'est pas égal à maladie incurable cancer est fait, il day donc il faut nous nous ce le